et militants du département Dakar pour faire le lancement du parrainage du candidat Pape Diop, euh, le président de Bob Euh, comme vous l'avez dit, nous avons comme objectif à Dakar 500, euh, signatures par commune. Donc les 19 communes, les 19 ça fait donc près de 500, 5 euh, millions de, de un millions de signatures. Mais nous, au niveau du département nous voulons 7, 000 euh, de signatures euh, dans notre département. Parce que, euh, je vous rappelle, on a demandé 2 000 par département, mais il faut dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, la population du Sénégal est, est, concentrée à Dakar. Donc nous, nous devons plus. C'est pourquoi notre objectif, c'est 7000 pour le département de Dakar. Oui, oui, nous l'avons fait parce que, euh, comme je l'ai dit tout de suite, on vient de lancer, mais avant de lancer, actuellement, nous avons 1900, 1900 signataires. donc nous avons euh, débuté le, le parrainage depuis, qu'on avait, depuis que le ministre de l'Intérieur a convoqué les, les, les, les, futurs candidats. C'est dans cette période que nous allons commencer le, le parrainage. waaw comme ni ma ko waxee ñun fii si Dakar li ñu wax euh, bëgg nañ commune na am 500 comment dire 500 signature juróomi téeméeri signature euh, loolu nag euh, li tax ñu def ko département ku ne xam ne Dakaru population Sénégal li ci ëpp ci Dakaru la ne kon nag te danoo wax ni département bu ne da ngaa war a am ñaari junni signature te li ci des nag kon Dakaru moo ko war a mottili moo tax ñu ni kon Dakaru moom war naa am.

benn question rek da ngeen nekk ci décrier par rapport ak président lu mu wax ne 5 millions de signatures. lay wut yéen ngeen wax ne bëgg ngeen tamit 5 millions de signatures fii ci Dakar est-ce que du nekk loo xam ne dafay nekk anti euh, day jéggi yoon. non non non non non fii ci Dakar fii ci Dakar danoo wax ni département bi département bi wër la am euh, ki euh, comment dire 5 millions 5000 département bi mën naa am 5000 parce que ñun ñu ngi demandé au niveau 52 52 000 wala 65 000 donc ñun département rek war am 5 ba 7000 parce que comme nous ñu wax le calculer département bu ci nek war 000. am 2000 bo calculer les 14 les 14 régions région bu a war 000. am war am 2000 calculer 14 par 2 ça fait même pas même pas 20 000 te dañoo demandé 52 000 wala 65 000 kon nag Dakar war plus pour combler li dess nga dans le communiqué du président on l'a entendu décrier 5 millions de signatures. Et vous, dans votre déclaration, vous entendez vous demander près de 5 millions de signatures. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui serait non, non, non, non, non, non, nous, non, nous n'avons pas demandé 5 millions. On a dit, euh, dans le départ, chaque commune de Dakar doit avoir 500, 500 signatures. Donc, 500 signatures multipliées par, par 19, c'est moins de 2000. Mais nous, nous avons demandé 7000 parce que pour combler le reste, parce qu'on a demandé chaque région au niveau du Sénégal. que je dois avoir 2000, 20 000 signatures. Donc le reste, 20 000 par 14, ça fait combien Donc ça ne fait même pas 30 000. Euh, euh, Donc le reste, c'est Dakar qui doit combler le reste. C'est pourquoi nous, nous voulons demander de 7 à, de 7 à 20 000, euh, de 7 à 10 000, de 7 à 10 signatures. Parce que c'est normal aussi. comme je viens de le dire, Dakar, je peux dire la majorité de la population du Sénégal euh, euh, euh, comment c'est Dakar. Donc, le, reste des, des, 65 ou des 52, c'est Dakar qui doit combler ça. C'est pourquoi on a demandé 7000 à Dakar.